ay ay aspect mais dafa am tamit benen paramètre bu xawa essentiel rek bu nga xamné ne peut-être ñun dañ koy xawa faté moy les matchs étaient programmés en fin de saison donc lolu dafa nekkoon aspect xeyna peut-être bu nga xamné ne daf ci daf ci jouer un peu mhm. yaa ngi annoncé Sénégal Soudan Sénégal pour le 17 mars donc fay tomber waat ak période bu nga xamné là on est en pleine compétition pour pour beaucoup d'entre eux donc joueur Binek en en fin de saison ak joueur Binek en pleine compétition il n'est peut-être rendement à du Feigne dans la mesure où certains de nos joueurs ont montré des états de fatigue après la 70e minute mm-hmm. parce que déjà ils étaient déjà en vacances entre guillemets donc sélection bi moo leen moo rythme entraînement c'est-à-dire ils avaient la tête ailleurs quoi pas la tête ailleurs ça mais physiquement le corps ne répondait plus. Okay. physiquement parce que. dañu sonn cette dernière journée ak bi waré jouer Sénégal RDC. Mhm. il s'est passé un temps bon nga xam là. ils n'avaient plus le même rythme quoi. ils avaient plus le même le même rythme te dafay te te dafay feeñ. aspect bi bi bi bi Fatima signalé mu fi c'est-à-dire que nous avons une sélection en temps vers la vieillesse. Donc, quoi qu'on puisse dire, aussi bien en 2022, c'était des joueurs matures, mais deux ans plus tard, pour beaucoup d'entre eux, ils, sont presque en fin de carrière. Mhm. Même si ce n'est pas, si pas la carrière en, club, mais en, international, presque dire quoi. Mhm. Donc, aspect non, nous, dafa nek ay aspects yu nga xam dañ ko wara tenir en compte. c'est vrai aspect qui peut-être bi ma ci bëgg intervenir wax légui question de de buteur de finisseur de. mais je suis désolé. Ah. le Sénégal n'a pas cet attaquant là. Le Sénégal n'a pas un Victor Osimhen, le Sénégal n'a pas un, mm-hmm. un, Mohamed Salah. Quoi. Mm-hmm. Donc ça veut dire que on a Sadio Mane qui se sublime sur certains matchs. Mhm. Mais on n'a pas un avant-centre bu on peut compter sur lui. Mhm. C'était peut-être du temps du C'était un mhm. avant-centre. qui peut formé et en club et en sélection. donc loolu amoon ko mais là actuellement ni amuñu ko. mais mais mais sélectionneur bi lan rôle pour un genre attaquant yu mel noonu. Euh, lan c'est moi. est-ce que aussi ces différents championnats différents clubs Sénégalais yi ñu jouer est-ce que moi, j'ai aperçu mais on n'entend que les mêmes noms. aperçu je te repose la question kan lañ waroon ban attaquant lañ waroon wote te ko il a même fait appel à à à Chérif Ndiaye. oui qui a fait Ndiaye, oui. qui a fait une bonne saison en Turquie. oui mooy meilleur buteur d'ailleurs moo peu but euh, si si attaquant yi ñu jot. yi ñu am instant bi donc ça veut dire donc ça veut dire que il a fait appel à toutes ses forces mais le temps de jeu yi Chérif Ndiaye di am. cinq minutes ah, ah, cinq minutes di am est-ce que mhm. aussi loolu mën nañ ci def dara lo xamné au nouveau attaquant cinq minutes quand même ne peut rien faire euh, euh, ah. toujours. contre Mauritanie. Elima kii Serif Ndiaye bu il dugg presque 75ème, 80 et quelque. waaw 75ème, euh, je pense. mais soit avec 15 minutes. fais quelque chose de. mais ils ont essayé de faire quelque chose hein? on a vu Serif euh, <laughs> Serif Ndiaye. waaw légui légui occasion. <laughs> da nga da nga wax légui da nga wax légui à l'entame de tes propos nga né euh, nous mu système qui moi je dis que c'est un sélectionneur qui vient avec ses certitudes mais système bi. certitude mooy certitude mom mooy moom li mu jàpp ne. <laughs> baax au fait waaw loolu la. limu mu jàpp ne baax c'est c'est ce qui va lui faire gagner ces matchs quoi. mais baaxul nak bu baaxulee ba joueurs eux-mêmes. diko wax en conférence de presse en point de presse. baaxul pour yow baaxul pour yow xëy peut-être baaxul yenn joueurs yi ñu ngi mhm. mais moi c'est le sélectionneur c'est lui qui rend. mais ça ça c'est ça le souci aussi oui. j'ai j'ai entendu le doyen parler. Mhm. il parlait tout à l'heure euh, euh, <laughs> il parlait tout il parlait euh, il parlait tout à l'heure de question il faut il, ne faut pas qu'on soit s'alarmer mhm. mais on, doit on doit rester alarmé parce que euh, Sénégal équipe bu vraiment wax dëgg yàlla hein, fi en Afrique même dans le monde hein, nous devons faire mieux. Mhm. parce que bu bu waxee un résultat euh, c'est-à-dire ben match nul après moi am victoire. pour moi c'est comme si da limité ou quoi. Mhm. c'est-à-dire le Sénégal aujourd'hui a des potentiels qui doit aller au-delà. Mhm. Euh, bien vrai que le Congo. Euh, il a fait les demi-finales de la de la dernière édition du cannes mais le Sénégal a, les capacités nécessaires pour arriver au, bout de, cette équipe congolaise. Mm-hmm. Bien sûr. Hein? Mm-hmm. Mais c'est l'entraîneur qui est limité. Mm-hmm. Ça, il, faut, faudra qu'on pose le départ, euh, Qu'on le dise. Il faut, quoi. c'est vrai même gars yi bu doon feug jël ay tin taxaw ci buntu néegam feug ba suba limu bëgg tek yow yow imagine bo démé ba tek ben système nga am say certitude mhm. sa star ñëw né il faut qu'on revoie le le système ça veut dire que mom kim limu wax rek mom mo am ay certitude bopam té mom néna man je crois en ma philosophie kenn du ma dicter lu may def mhm. lool la mësa def lool la yàgg xullo ak gaay mhm. tout le temps on lui propose des systèmes des types de joueurs mais moom dala naan lii laa bëgg def Lila qui def vite. Eh, on a une vingtaine d'attaquants ils peuvent tous jouer en équipe nationale mais mon tant que D'où la la may sa chance et vous parlez de vous parlez de Nicolas Jackson en Villarreal il jouait dans l'ex en oui pourquoi nga andi Villa qui Nicolas Jackson nga koy teg attaquant de pointe. oui oui. donc mom même si bougué daw foofu day daw ba guen terrain bi sax. parce que lu muy daw foofu du bari mais c'est ce qui mais c'est c'est le poste qu'il occupe en club à Chelsea il joue avant-centre. oui mais mais mais Villarreal la la wax mom Ouais, mais actuellement il joue avant-centre. oui oui mais avant ça muy muy mais problème bobu am Chelsea. mais amna ben question bu ndaw mais joueur yi tamit est-ce que ragaluñu wax coach bi ne ko man fi nek mo fi à l'aise mu tek len baax. Euh, est-ce c'est ça parce que yow jour où xamné da ngay ñëw ñu tek le poste de prédilection nga jouer après on dit que vraiment euh, non li baxul boy bi fiñ ko tek yow joueur bi ci bopam sax joueur est-ce que tu nañ ko micro mu wax ne non man poste bi ma coach bi tek à l'aise aw mon rendement. Euh, en zone mixte nous on n'a pas demandé Sadio uh-huh. mais wax analyse hein? analyse mais mais mais comme Sadio équipe il y' a un problème. Euh, on doit remettre on doit se remettre en cause euh, par rapport à ça aussi. excusez-moi je ne suis pas là pour défendre Aliou Cissé. oui c'est mhm. a droit à ça, la l'avez mais mais mon tey petit nekk ci club. xam xëy peut-être fonctionnement entre entraîneur et joueur mhm. je suis sûr. disons à 80 qu'il y a une discussion préalable entre Aliou Cissé et le joueur qu'il veut utiliser à, un certain poste. Mhm. Je prends exemple Abib Diara. Mhm. Nous savons que c'est un milieu de terrain offensif, mhm. voire même qui peut se propulser comme avant-centre. Je le jouer côté. Ça veut dire que lui, dans sa philosophie, dans, dans, dans, les analyses vidéo, il voit que le joueur peut lui apporter ça. C'est vrai. Les joueurs venaient en sélection, avant de faire une mise en place tactique, il y a une discussion auprès au la il dit dur rek ba ci jour bi mu la diw diw diw yow joué mhm. mais dina ci waxtaan ak mom si le joueur accepte comme on dit d'endosser ce costume là mais que man warna mëna pas dem jouer ji piston wa au risque et péril du joueur si le joueur n'est pas performant là-bas. Mhm. Mhm. donc s'il n'est pas performant là-bas il peut s'auto-exclure de la sélection. c'est vrai mais s'il s'il convainc comme ce qui s'est passé avec, Crépin. avec Crépin. S'il convainc à ce poste, même au niveau de son club, il devient peut-être incontournable fof non parce qu'après Crépin il est parti à Monaco il a joué Pisson mhm. au détriment d'un champion d'Afrique par exemple Singo donc kooku loolu est possible, mhm. mais Crépin il a xam dañ entraîneur transformé man man euh, dañuy jàll ci match euh, <laughs> Sénégal hmm. Mauritanie. Hmm. match bi nga xam ne ni Sénégal euh, mën nañu wax jël na fa ban 3 points. oui effectivement hmm. le derby di fleuve Sénégal. diggante Sénégal ak Mauritanie <laughs> waaw Sénégal nag moo ci am ndam 1 à 0 kii di Habib Diallo moo dugal bii bi daanaka match bu métti woon. diggante Sénégal ak Mauritanie. boo xoolee sax physionomie match bi mun nañ mun nañ wax ne Sénégal am na sens sax. dugal dugal ñom ni wa Mauritanie man dama ragal won sax Sénégal Mauritanie bu bu bu non buñu ñu bu encaissé woon premier bi Mauritanie match bi fan fan la fan la démon man loolu ragal surtout euh, pelouse bi état pelouse bi. xam nga te gazon lille le gazon synthétique la. te té man loolu wa FIFA war nañ xolal lool parce que bo xolé stade Mauritanie bi est-ce que il est aux normes de de FIFA c'est la grande question qu'on qu se pose. en tout cas FIFA moo ko homologué. moo ko homologué bu ko homologué wul je pense que ni Mauritanie du recevoir foofu. ci stade bi mais boo xoolee stade Mauritanie bi. Mhm. bu ñu démé stade Lat stade Lat ko gën eh, stade Lat sax mo gën. Ñu wante deug. man kay Sénégal foofu laa foofu la foofu laa ragaloon pour pour. encaissé teel a encaissé bii Mauritanie. Mhm. mais heureusement yalla def na ci suturul quoi. Mhm. alors euh, Sénégal mu joué match bobu ci système yi nga xamné moy 3 4 3 aussi euh, Sénégal aussi euh, ils n'ont pas parvenu à mettre le jeu en place. bon d'abord dans un premier temps paramètres il mu souligner mhm. ça a été une difficulté pour l'équipe. les voilà stade bi pelouse gazon synthétique hostilité bi am ci tribune oui c'était plein. température bi. il faisait chaud. quand tu vois Kalidou Koulibaly <laughs> chaque chaque chaque break mu jël serviette def ko ci bi. Mhm. donc ça veut dire que il faisait chaud. Mhm. xam nga. Mhm. donc lool moi moo tax que ma nous la ñun suñu déplacement Soudan sax dafa metti comme Mauritanie. donc maintenant ce sera parce que en Afrique quand tu joues une compétition africaine tu ne dois pas te comporter comme un joueur qui joue à, Chelsea ou bien à, à, Villarreal ou bien au PSG, à Marseille. Non, non, non. Afrique nga mhm. na yenn yoo de côté nga andi opération commando. nga lijjanti sa ñaari but parce que équipe yep non lañuy def hein. même équipe yu magi buñu démé di gagné yenen équipe mhm.